Vraiment, il y a eu des répercussions parce que l'affluence a diminué. Seulement, je tiens à préciser qu'il y a des mesures qui ont, été du moins préconisées par le ministère de la Santé dans ce cadre-là. Et toutes ces mesures-là sont vraiment mises en place pour garantir la sécurité transfusionnelle. Notamment le lavage des mains, la distanciation, tout, tout, tout, tout est vraiment mis en place. Et je profite euh, de votre euh, antenne pour vraiment remercier l'association des jeunes médecins du Niger qui aujourd'hui, malgré que c'est un samedi, sont venus vraiment sauver des vies humaines. Parce que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un beau jour besoin du sang de quelqu'un. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel jour ça arrive et dans quelles circonstances. Donc là, vraiment, c'est un acte salutaire, un acte citoyen. J'invite eh, toutes les autres structures et tout le monde vraiment à venir eh, un peu donner de ce, de ce liquide précieux qui est le sang.